Nous voulons du courant. de l'eau. Nous voulons de l'eau. courant. nous voulons de l'Ignatia. nous voulons du courant. Nous nous voulons du courant. Nous nous sommes fatigués. Nous, comme une nous voulons de l'eau. Nous, comme une nous voulons de l'eau. Nous, comme une nous voulons du courant. Nous, comme une nation, nous voulons du courant. Nous, comme nous voulons de l'eau. Nous, comme une nous voulons de l'eau. Nous, communications, sommes fatigués. Nous, sommes fatigués. Nous, communications, sommes fatigués. Nous, communications, sommes fatigués. Nyasiya Nyasiya Nyasiya Nyasiya Nyasiya Nyasiya Nyasiya son Nyasiya Nous voulons nous voulons de Nous voulons voulons Dolo. Nous voulons Dibura Nyasia Sonona Nyasia Sonona Etome Sonona Nyasia Sonona Kazulu Sonona Nyasia Sonona Etome Sonona Nous voulons Yolo Nous voulons Dikura Nous voulons Dolo Nous voulons Dikura Lycée Sonona Lycée Sonona Collège vie Sonona Primaire vie Sonona Talibi Sonona Nous voulons Sonuna! Naji Bagar! Naji Bagar! Naji Nous voulons du courage Nous voulons du courage Nous voulons du courage Nous voulons du courage Nous voulons de l'eau Nous voulons du courage Nous voulons de l'eau Nous sommes fatigués Nous sommes fatigués Samuna taali la ñu bëgg taali na taali la ñu bëgg taali la ñu bëgg kaa gi sonu na taali sonu na la ñu bëgg la ñu bëgg du courant Taali la ñu bëgg. Taali la ñu bëgg. Taali la ñu bëgg. Kaagit sonu na. Kaagit sonu na. Ñaasiya sonu na. Ñaasiya sonu na. Taali la ñu bëgg. Taali la ñu bëgg. Doodaan la ñu bëgg. Doodaan la ñu bëgg. Ndox la ñu bëgg. Ndox la ñu bëgg. Yaa sonu na. Ñaasiya sonu na. Dassalam sonunna. Dassalam sonunna. Etome sonunna. Etome sonunna. Kura la ñu bëgg. Kura la ñu bëgg. Kura la ñu bëgg. Kura la ñu bëgg. Etome sonuna. Kahilu sonuna. Kahilu sonuna. Yasya sonuna. Yasya sonuna. Kacenen sonuna. Kacenen sonuna. Kasulu sonuna. Kasulu sonuna. Bazere sonuna. Bazere sonuna. Darsalam sonuna. Darsalam sonuna. Kuvakuta sonuna. Kuvakuta sonuna. Bazere sonuna. Bazere sonuna. Murcia! Murcia! Levanta a Curã! Ataca a Curã! de Niños! Dá Toma, Nivaga! de Nivaga! Zani Burger! Lani Lani Lani Lani Kura Lani la ñuy bëgg. courant dara. lycée bi amul dara. dara. daan la ñu bëgg. doo daan la ñu bëgg. doo daan la ñu bëgg. doo daan la ñu bëgg. hôpital bi amul dara. hôpital bi amul dara. hôpital bi amul dara. hôpital bi amul dara. suñu yoon yi baaxuñu. suñu yoon yi baaxuñu. suñu yoon yi baaxuñu. suñu yoon yi baaxuñu. Tacit sonunu. Tacit sonunu. Yasalam sonunu. Yasalam sonunu. Kuvakura sonunu. Kuvakura sonunu. Talibi bahul. Talibi bahul. Kuvakura sonunu. Kuvakura sonunu. Talibi bahul. Talibi bahul. Lisevi amur. Yalan. Bir kapı. Bir kapı. Bir kapı. nunanyu Bafika so nunanyu Ada Bisebi amul dara. Bisebi amul dara. Bisebi amul dara. Bisebi amul dara. Sëñ bi amul dara. Sëñ bi amul dara. Sëñ bi amul dara. Sëñ bi amul dara. Sëñ bi amul dara. primaire bi amul dara. primaire bi amul dara. hôpital bi amul dara. hôpital bi amul dara. hôpital bi amul dara. Sia amuñu ndox. c'est pas normal. Kajenen amuñu courant. c'est pas normal. Kasulu amuñu courant. c'est pas normal. Niassia amul dara. c'est pas normal. Niassia amul test. c'est pas normal. Kajulu amuñu terrain. c'est pas normal. Ahi amuñu courant. c'est pas normal. Kagere amuñu dara. c'est pas normal. Gisevi amul terrain. c'est pas normal. normal. lycée bi amul dara. c'est pas normal. Afrique amul dara. c'est pas normal. Kazulu amuñu dara. c'est pas pas normal. Bazere amuñu courant. c'est pas normal. Kasulu amuñu ndox. c'est pas normal. sous-préfet amul ndox. c'est normal. Kahilu amuñu tous. c'est pas normal. normal. Kahilu amuñu ndox. c'est pas normal. Bafika normal. courant la ñu bëgg. courant la ñu bëgg. courant la ñu bëgg. courant la ñu bëgg. sonnuno à sonnuno nous voulons de l'eau nous voulons de l'eau nous voulons du courant nous voulons du nous voulons de l'eau nous voulons de l'eau nous voulons des forages nous voulons Yassiya, sommes nous non Yassiya, sommes nous non Etomé, sommes nous non Etomé, sommes nous non Kadiene, sommes nous non Kadiene, sommes nous non Kadib, sommes nous non Kadib, sommes nous non Kadibi, Bahoud Kadibi, Bahoud Yassiya, sommes nous non Nukura, Nukura Nukura, Nukura Eto me amudara. Eto me amul dara Rasulu amul dara kaje bi baaxul lycée bi baaxul lycée bi baaxul lycée bi baaxul lycée bi baaxul lycée bi baaxul vive le peuple vive le peuple

Gazulu sonn nañu. Gazulu sonn nañu. Baagaam sonn nañu. Baagaam sonn nañu. sok nunayu. Bengi sok nunayu. Pagi bakenyon. Pagi bakenyon. Pagi bakenyon. Pagi bakenyon. Kagere sok nunayu. Kagere sok Yunyi sok Yunyi sok Yunyi sok Yunyi sok Kura lanyi bag. Kura lanyi bag. Kura lanyi bag. Kura Nous Nous Nous voulons voulons voulons un un une Nubula Azam Ding. Nubula Azam Ding. Nubula incoming Ding. Nubula incoming Ding. Nubula the law. Nubula the law. Nubula the Kura. Nubula the Kura. Nubula the Kura. Nubula the Kura. Nubula the law. Nubula the law. Nubula the law. Nubula the law. Nous voulons du courant. Nous voulons du courant. Nous voulons des ponts. Nous voulons des ponts. Nous voulons des ponts. Nous voulons des ponts. Nous voulons de l'eau. Nous voulons de l'eau. Nous voulons de l'eau. Nous voulons de l'eau. Nous Sangana. Ñun dañu nous Ñun dañu l'eau, jën amul nañ la nuyu nañu euh, ñi assuré suñu suñu itinéraire ba fii mooy la gendarmerie ñu ngi nuyu la police aussi euh, ñu ngi nuyu militaire yi fi nekk tamit di nuyu naa bi lieutenant maa ngi lay nuyu bu baax a baax euh, maa ngi nuyu waa Niassia waa Niassia nuyu naa leen Mutia. Moutia donc dafa jot ren ñi am courant préfet c'est la deuxième fois ñu ñëw fii ñuy dox euh, tubaab nee na une fois n'est pas coutume waaye bu ñu koy def di def di def day doon day mujjee doon cosaan te bëgguñu lii mu doon cosaan ndax courant tey nécessité la ndox nécessité la dañ ko soxla te dañ ko war a am ndax ñun ci Sénégal la ñu bokk a ah, ñu ngi dox de ñu ngi dox ñu ngi dox ñu ngi waaye nag yoon moo ñu may ñu dox waaye bu ñu doxee ba dox lu ñu yoon may amuñu ci dara ah dañuy def lu ñu yoon mayul moo tax ñu ngi alerter état du Sénégal na réagir gaaw ñu dañoo sonn fii 19 heures ñëpp tëdd nañu ndax amuñu courant ku bëgg a charger courant ci policier ngay ñëw. si camp mi ngay ñëw si Diallo ngay dem si boutique bi si enseignant yi dafa wara doy on est en on est au 21e siècle ñu comprendre 21e siècle une commune de 25 villages seulement deux villages ñu électrifié ko et seulement trois villages ñom kessé ñoo am do ñetti village ñoo mëna am ñoo mëna tiji rom robinet ñu am do dañu japp ni lool du yoon wa lool loolu la ndox bi day xonk cur mënuñu si naan dañuy mujjee dellu si teen yi te xam nañu li ne ci téni donc ñu leen di ñaan bii yoon na message bi yegg nañu ñëw réagir weer lañu leen may tey le 23 le 23 prochain bu dara amul ah dootuñu jaarati si yoon. amatu amatu jaaraat si yoon ñu nit comme bu ñu waxee du ñu dégg bu ñu doxee du ñu dégg dinañu def lii war a te ñu dégguñu dinañ def lii war a te ak ndox. donc préfet li lañu am pour wax la té li lañu bëggon nak mu yegg fu mu wara yegg ba gouvernement bi def réaction le plus rapidement possible yon kagit bi baxul té village kagit kessé lu muy am lu mu am ci ay mango mëna am département de Dakar way fa yon bi bax oté mëna duggu génné dikoy dem yobu Dakar fi la yam nak ci kaddu gi ci teunk rek li la bëggon wax mal ni jaajeufal merci Nous venons par ce mémorandum auprès de votre haute bienveillance vous faire part à nouveau de nombreuses difficultés que traversent les populations de la commune de Niasia. Monsieur le préfet, nous les populations de la dite commune tenons à vous informer que nous continuons d'exister aux yeux des autorités sénégalaises, mais ne vivons pas. Car le minimum requis n'existe pas dans cette commune oubliée. Aussi, il serait bon de rappeler cette phrase de Victor Hugo. Je cite Le plus lourd fardeau au monde, c'est d'exister sans vivre. Monsieur le préfet, nous signalons que le mal-vivre des populations de notre zone est trop profond. Et que si nos autorités ont tendance à oublier les nécessités d'une vie paisible, il est bon par moment de rappeler certains fondements qui font qu'on parle de vivre. Vivre est synonyme d'avoir de l'eau potable, de l'électricité, un système sanitaire de qualité, ce qui n'est pas le cas chez nous. Monsieur le préfet, nous voulons, à travers ces écrits, faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que non seulement nous ne vivons pas, mais nous sommes aussi oubliés dans le cadre de l'équité territoriale. Comment pouvez-vous justifier en ce 21e siècle qu'une commune de 25 villages puisse rester sans électricité et pire encore, il n'y a que deux villages électrifiés Nous continuons d'exiger l'électrification de notre zone car l'obscurité nous rappelle les années où nous vivions dans le colonialisme. Monsieur le préfet, nous réclamons un forage à et par la même occasion nous exigeons l'addiction d'eau potable dans toute la commune ainsi qu'à la construction des pistes pour permettre une bonne circulation des personnes et des biens. Aussi cela permettra de, raffermir les liens car certains villages restent très enclavés. Nous exigeons également à ce que la route de Kaget soit goudronnée. Car les populations qui utilisent cet axe souffrent énormément. Durant l'hivernage, les usagers de, de, l'axe Djalan-Kagit vivent un calvaire. calvaire. Et pourtant, le village de Kagit a lui seul pour ravitailler le département de Dakar en mangue. Encore une fois, nous voulons que cette route soit faite pour désenclaver ce village qui regorge plein de potentiel, surtout en fruits et légumes. Monsieur le préfet, nous, non sans oublier la construction des ponts de passage de Agnasia, village, les ralentisseurs au niveau de l'école primaire de Nyasia, la mise à disposition d'un terrain de pêche, la construction de nouvelles salles de classe et la clôture du mur du lycée ex-SEM Nyasia et l'extraction de l'ancien pont d'être qui constitue un danger pour la population, voire l'écosystème. Nous exigeons à juste titre de vivre comme tous les citoyens qui jouissent de leurs droits et nous comptons sur la compréhension des autorités en charge de nos préoccupations au premier rang, desquelles le président de la République, son Excellence Macky Sall. Recevez, Monsieur le Préfet, nos respectueuses salutations et considérations, ainsi que l'expression de nos distingués sentiments. Merci. Nicolas Bassel. Euh, ñun commune Niassia ci Sénégal la ñu bokk suñuy maamati maam yàgg nañu fay impôt suñu maam fay impôt suñuy waajur fay impo te xam nañ ni euh, impôt moom la ñuy tasarewaat defaraat dëkk yi donc ñun Niassia dañu bëgg suñu dëkk ñu defar ko ñu am courant am ndox euh, ndax ñëpp ñi fi nekk. muy force de défense et de sécurité ku ñibbi këram rek di nga fa fekk ndox fekk fa courant. ñun mënuñu nangu. courant traversé Ziguinchor ba Cap Skirring ñun mi ñu nekk ci lëndëm ñu nekk ci ay sondel lu doy lu lu lu doy doy na dañu bëgg courant et am nañu yaakaar ni yow sous-préfet di nga jotali préfet Jotali gouverneur ministre de l'intérieur Macky Sall jot ci et. incha allah ren ji fexe leen bala année bi di jeex courant bi ak ndox bi yegg si fii am nañu yaakaar